The forum du studio le forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Kalamkou forum du studio Bienvenue à tous dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est notre rendez-vous traditionnel avec nos confrères de la presse audiovisuelle, écrite ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Dans le Forum de la presse de ce soir, nous allons discuter de la situation sécuritaire dans la région de Maradi, précisément dans la commune de Gabi, département de Madarumfa, où les populations sont régulièrement victimes de vols et de violences commis par des bandits armés. Ensuite, nous parlerons de la marche de protestation organisée à Kidal au Mali jeudi 26 septembre passé pour décrier les propos du président nigérien Issoufou Mahamadou concernant cette localité du Mali voisin. Enfin, nous allons évoquer un sujet d'actualité sur le plan politique avec la création en nombre des partis politiques. Pour discuter de tous ces sujets, nous recevons nos confrères Elaj Suleiman Mahamadou, journaliste au journal La ligne Niger Intel, Gare Amadou du quotidien La Nation et Hussein Issa, journaliste et à la présentation à Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 4 octobre 2019 par la situation sécuritaire dans la région de Maradi. Dans une sortie musclée, les populations de la commune rurale de Gabi, département de Madaroufa, ont dénoncé des actes de violence dont elles font l'objet de la part de bandits armés. Dans une déclaration, ces populations exigent des autorités la sécurisation de leur localité. Suivant un extrait lu par Anafi Abdou. Nous constatons avec amertume les dégâts causés par ces attaques des bandits armés. Nous constatons également l'insuffisance du dispositif de sécurité mis en place. Nous déplorons les viols forcés des femmes ainsi que des filles, des mineurs. Nous déplorons l'exil et les déplacements forcés des hommes, des femmes, des enfants et des veillards. Au vu de ce qui précède, nous proposons le renforcement du dispositif de sécurité dans notre commune nous demandons plus de contrôle au niveau de notre frontière avec le Nigeria. Parce que pratiquement la grande majorité de ces bandits-là, ils viennent de là-bas. Voilà, vous venez d'écouter donc euh, un citoyen de la commune rurale de Gabi euh, qui lisait euh, une déclaration relativement à la sécurité de leur commune. Et le maire de la commune de Gabi, Kane Damalam, reconnaît le calvaire que ces populations vivent et promet d'en aviser qui des droits. Cette réaction de la population du sud de la commune de Gabi, moi je trouve que c'est vraiment normal puisque sincèrement, ils sont à bout de leur passé parce que ça fait plus de 20 jours aujourd'hui, il n'y a pas une nuit où il n'y a pas attaque. Chaque jour, il y a attaque. Et à chaque attaque, ces bandits-là, ils prennent les animaux des gens, ils s'en vont avec, tranquillement, ils rentrent au Nigeria. Cette déclaration, nous allons la transmettre qui de droit. Voilà, vous venez d'écouter le maire de Gabi, Kanedam Malam. Suleiman Mamadou, quel commentaire vous inspire la situation sécuritaire le long des frontières du Niger avec le Nigeria, particulièrement cette partie du Niger on ne peut que déplorer euh, cela. Cela veut dire que c'est un autre foyer qui vient d'être, euh, en tout cas, clairement identifié. Ce n'est pas aujourd'hui, justement, cette situation euh, on comprend justement le, désarroi des ressortissants de de cette de cette localité. Hmm. Euh, ils ont dit clairement, il y a par exemple un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, le viol des femmes. Hmm. Euh, les jeunes en, en, parlent beaucoup effectivement de cette situation il y a que, moi personnellement, j'avais échangé avec un député de la région de Madaroufa sur cette question. Hmm. Il y a que si on y prend garde, euh, le phénomène risque de s'aggraver parce que il y a non seulement la forêt, euh, en tout cas, donc, euh, et là, ça peut prendre aussi une dimension communautaire si on ne fait pas attention. Hmm. Donc c'est une réalité. Hmm. Ils disent que si on vient du Nigeria, mais ils ont ce, cette forêt-là, en tout cas, où ils arrivent à, à se cacher pour se, pour, pour, pour, mm. Donc, le plus important, euh, on comprend aussi, ils disent que l'insuffisance des FDS, aujourd'hui, c'est un mm. peu partout. Vous voyez euh, que durant le jeune des DIFA, vous voyez, il y a le Sofa, euh, en tout cas, il y a, on a un vaste territoire euh, où, franchement, les moyens euh, qu'on a, euh, j'avoue que lorsque euh, les foyers de sécurité, en tout cas, c'est un peu partout, c'est assez, compliqué. Hmm. Donc, euh, je pense que c'est une situation qui est, connue. Il va falloir maintenant, avec le concours des populations elles-mêmes, donc nos autorités et les autorités nigériennes, en tout cas, parce qu'ils ont, clairement dit que ces gens viennent du Nigeria. Hmm. Donc, effectivement, cela veut dire niveau de la frontière, il va falloir que nos FDS s'assument d'un côté comme de l'autre. Garé Amadou, du quotidien La Nation. Oui, en, fait, en fait, tout celui qui va à Madarumfa, moi j'y étais il y, a, il y a un an, six mois de cela, dans la, dans la zone. C'est une zone, effectivement, dès que vous arrivez, vous sentez qu'il y a quand même des risques d'insécurité au niveau de, au niveau de, parce que d'abord c'est une forêt touffue, n'est-ce pas? Et on sent que la frontière n'est pas loin. Et mieux, ou pire plutôt, ce qu'on constate, c'est que quand on arrive à Madaroufa, c'est beaucoup de motos, de motos qui traversent la frontière pour revenir. Mm. Vous sentez la menace quand vous arrivez. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Donc, je pense que cette situation au niveau de, de, Madaroufa, avec ce cri de cœur des populations, mm. ce cri de cœur doit être entendu par les autorités. C'est-à-dire, il faudrait renforcer eh, la sécurité au niveau de Madaroufa, aller même jusqu'à peut-être interdire la circulation des motos. Parce que je vous dis, si vous allez là-bas, vous allez constater qu'il y a un danger. Des voix et vient Non, non, des voix et vient inquiétants, hmm. des, gens bizarres qui vont, qui qui viennent. Hmm. Moi, j'étais dans un village de d'année qui était proche de la frontière, mais je vous assure que vous voyez des têtes euh, qui ne vous reviennent pas, c'est-à-dire des gens qui, qui sont complètement, bah, bah, à qui vous, ne pouvez pas vraiment confier quelque chose. Oui. Hmm. Et donc, cette situation, ces, attaques-là dont sont victimes la population au niveau de Madaroufa, elle est tellement répétitive que, comme l'a dit Suleiman, il faut faire attention parce qu'elle peut dégénérer. Et effectivement, je pense qu'il faut renforcer les éléments de FDS au niveau de, de Madaroufa et faire en sorte de prendre des mesures d'interdiction. Parce que vous savez, Madaroufa, il y a déjà eu des militaires qui sont morts à Madaroufa. Il y a des éléments du BICOS qui sont tombés dans une embuscade tendue par des bandits. Et je crois qu'il y avait trois ou quatre éléments du BICOS, qui est le bataillon euh, qui est formé par les Américains, qui sont morts. Et donc c'est une zone dangereuse, il ne faut pas blaguer avec cette chose-là. Il faut renforcer, c'est-à-dire que même s'il faut euh, euh, mettre en place une sorte de camp militaire, en tout cas, il faut le faire. C'est-à-dire que les habitants de cette population-là sont à bout de souffle. Bien. Et Hussein Issa, cette situation, en tout cas, qui devient de plus en plus inquiétante au, au niveau de cette frontière Niger-Nigeria, côté Maradi, mais euh, je pense que le cas de Gabi, c'est un cas illustratif. De quoi Illustratif de la situation qui prévaut aujourd'hui. Maradi, la région de Maradi est aujourd'hui en train de s'installer, en tout cas dans une situation d'insécurité où j'ai lu le récent rapport, de, du moins le bulletin de OCHA, où on parle de plus de 50 000 Déplacés. Déplacés qui sont venus s'installer du côté du Niger parce que tout simplement ils fuient la violence qui prévaut chez eux. Hmm. Ça n'a pas débuté aujourd'hui. C'est la même situation qui a prévalu un peu euh, dans la région de Tlaberi. Avant le déclenchement de, cette situation-là, de, de ces attaques djihadistes, il y a des gens qui quittaient le Mali pour venir s'en prendre à des populations de l'autre côté, dans la région de Walam, un peu partout, dans les localités un peu éloignées, ils emportaient des animaux, ils emportaient des vivres et tout et tout, ils tuaient. Des actes qui sont souvent euh, dénoncés par le Conseil nord Voilà, voilà, euh, voilà, hmm. tout à fait. Mais malheureusement, les gens ont laissé pourrir la situation. Et j'ai comme l'impression que c'est cette situation qui est en train de s'installer aujourd'hui dans la région de Maradi. Hmm. Et moi, je dis, les autorités doivent, en tout cas, prendre les dispositions qui s'imposent hmm pour créer les conditions de stabilité, en tout cas au niveau de cette région-là. Hmm. Parce que nous avons déjà deux foyers, deux foyers très actifs, la région de Tlabé, la région de Difa. Hmm. Bon, Tawa, il y a un peu de stabilité aujourd'hui, mais il faut prendre les dispositions pour éviter à ce que Maradi aussi tombe dans cette situation-là. Hmm. Parce que si davantage ça tombe dans cette situation, ça va être compliqué à gérer. On est dans une situation difficile. Il faut créer les conditions pour que qu'on dise que les bandits armés, on ne les identifie pas, on ne sait pas exactement. C'est des bandits, ils sont dans des comment on avait dit, des, des, c'est des, groupes, armés connus, tout ça, on ne sait pas. Mais on ferme les yeux jusqu'à ce que ça prenne une autre gravité. moi, j'ai dit, les autorités ont tout intérêt à créer les conditions. On peut contrôler le long de la frontière, là, on peut créer les conditions pour que ces gens qui viennent s'en prendre à des citoyens paisibles, pour les neutraliser et créer les conditions pour que les gens vivent en paix dans cette zone-là. Bien. Euh, alors, je disais, euh, jeudi euh, 26 septembre passé à Kidal au Mali, une manifestation a été organisée à l'appel d'un collectif de jeunes de l'Azawad en protestation aux propos tenus dernièrement par le chef de l'État nigérien Issouf Mahamadou sur le statut justement de cette ville. Ce dernier avait réaffirmé sa position au sujet de Kidal en disant que le statut actuel de Kidal est une menace pour le Niger et que l'État malien doit impérativement y reprendre ses droits. Issa, quelle analyse faites-vous au sujet de la réaction faite euh, donc par euh, les populations euh, à travers cette manifestation le 26 septembre dernier à Kidal eh, Alassane, les choses sont claires. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Youssouf Mamadou. Où le Mali est une entité, où c'est pas une entité. Quand les Blancs sont venus pendant la guerre pour pouvoir libérer le Nord, on a protégé Kidal on a créé une situation où Kidal est devenu, Kidal est devenu une zone où on considère que des gens sont là. On n'a pas besoin de l'armée régulière, on n'a pas besoin des autorités de, Bamako. On est resté dans cette situation pendant combien d'années Quand le président Issoufou est sorti pour dire que les menaces viennent de Kidal, il a dit qu'on détient des preuves qu'effectivement, dans des attaques il y a des chefs de comment s'appelle euh, ce, ce, regroupement-là qui ont été formellement identifiés. Est-ce qu'il doit continuer à s'étaler là-dessus Moi, je pense que non. Ou bien on veut combattre le terrorisme, le djihadisme dans la sous-région du Sahel, ou bien on veut faire autre chose. Ou le président malien prenne ses dispositions, les dispositions qui s'imposent pour créer les conditions pour que le Mali soit réunifié, ou bien on va rester dans une situation où des individus peuvent penser que c'est eux qui contrôlent ce territoire, cette portion du territoire malin. Et moi, je dis, ils sont sortis parce qu'il y a leurs intérêts qui sont en jeu. Hmm. On sait bien, tout ce qui se trame dans ces zones-là, c'est le trafic de drogue, c'est le trafic d'armes, c'est ceci, cela. Quand il est sorti pour dire ça, moi je dis, les gens de l'autre côté, ils veulent défendre leurs intérêts. Parce qu'il demande simplement au président malien de créer les conditions pour que cette zone soit aussi une zone... Soit sous l'autorité malienne. Sous l'autorité malienne, c'est important. Hmm. C'est important. Et moi, je suis d'accord, totalement d'accord avec lui. Euh, Gare Amadou, est-ce que c'est votre point de vue aussi vous avez, Absolument. Vous avez euh, euh, d'abord accueilli les propos du, président Issoufou Mahamadou et cette réaction d'en face D'abord, moi je veux parler d'abord des, des, manifestations. Oui. Vous avez vu toutes les images oui. Des gens qui manifestent masqués. Est-ce que ça fait sérieux déjà Première chose. Ça veut dire que déjà c'est suspect. Des gens qui brûlent le drapeau du Niger, qui brûlent la photo de Yusuf Mahmoud et qui brûlent, et qui sont et qui, qui, ne veulent pas qu'on voit leur visage. Déjà ça c'est suspect, première chose. Ensuite les propos de Yusuf. qu'est-ce qu'Youssouf dire? dit se a dire que l'attaque contre Inates, au cours de laquelle 22 militaires nigériens ont été tués, les, les assaillants venaient de Kidal. Et il le dit sur la base des renseignements qu'il a, des, preuves palpables. Il ne dit pas ça comme ça dans l'air. Mais pourquoi les gens pensent que Kidal, c'est une entité à part pour laquelle eux, ils doivent se rebeller pour dire que non, non, non. Alors qu'on sait, il y a deux rapports des Nations Unies. Il y a un rapport qui a été publié en août 2018 qui dit clairement, qui relate clairement les connivences entre les anciens groupes armés, anciens entre guillemets, et les groupes terroristes et les trafiquants de drogue. Le rapport est très clair, c'est un rapport qui est sorti le 8 août 2018. Mieux, un autre rapport est sorti en 2019, toujours au mois d'août, par des experts, où ils parlent maintenant des trafiquants qui opèrent dans plusieurs localités maliennes, dont notamment Kidal. Mm. Kidal est devenu une sorte de eh, zone d'exclusion créée par la France. Quand l'opération Serval a été déclenchée en 2011, la France a tout fait pour créer une sorte de zone d'exclusion à Kidal. Mais il y a une raison à cela. Kidal doit servir de début à quelque chose que la France a toujours caressé de créer. C'est-à-dire que créer une sorte de... Parce que Kidal, c'est grand, ceux qui ont visité, ils disent que c'est immense. Hein? Mm. C'est-à-dire c'est le début de quelque chose. Le très dangereux pour le Niger, pour le Mali, pour l'Algérie et plusieurs pays. Le Burkina Faso, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose, là vous êtes... Euh, non, je, veux, je veux être très clair. C'est le début de la création d'un État sur lequel beaucoup de gens ont fantasmé depuis plusieurs années. Les Occidentaux, les Français ont fantasmé dessus. Et au sein de, certaines communautés nigériennes, maliennes et de la sous-région, on a fantasmé sur la création de cet État-là. Quand Issoufou le dit, c'est une alerte. Parce que il dit qu'il faut faire attention. Si on ne règle pas le problème de Kidal, d'abord les pays vont être, tous les pays de la sous-région vont, continuer à être attaqués. Mm. Et pire, ce que la situation risque de dégénérer pour devenir quelque chose de plus ingérable. Mm. Et vous avez vu dès qu'il a parlé, qui, au sein même de la communauté nigérienne, d'anciens d'anciens rebelles ont commencé à parler. C'est ça que Issou voulaient dire. Ça, faites attention. Ces attaques-là, qui sont menées en complicité avec des, groupes armés, qu'on dit anciens, mais qui sont toujours groupes armés en réalité, mm. on ne peut pas faire la différence maintenant entre les terroristes et les groupes armés, mm. eh bien, ce sont des anciens rebelles nigériens qui sont en train de vouloir soutenir Kidal. Vous comprenez C'est-à-dire qu'il y a un péril à la demeure. Il faut faire attention. Il faut, c'est-à-dire que moi je dis, il faut se souder. Qu'il faut stopper. Attends. Non, il faut stopper. Il faut que les pays de la sous-région. Il faut qu'on dise surtout stop à la France. Il faut arrêter ce, double jeu. Eh, Elal Suleiman Mahamadou, vous partagez les avis de Garé et Ousseini, Issa Oui, je pense que franchement, euh, il faut quand même. Euh, c'était opportun le propos du, président Issoufou. Mais, absolument, absolument. réaction en fait, ceux qui, ont suivi d'abord le, le règlement de la crise malienne savent qu'effectivement, c'était un problème mal résolu. Et le président, en son temps, il a clairement envisagé de désarmer tous les mouvements armés pour effectivement que l'État malien, en tout cas l'armée malienne, ait en tout cas le monopole de la, de la force. Ce qui n'a pas été le cas parce que la France n'a pas voulu. Donc c'est des choses connues et quand se dit effectivement, il a vu les, les enjeux et je pense que l'actualité nous montre que véritablement il y a perle à la demeure. On a vu combien, en tout cas aujourd'hui, ces gens-là, avec le temps qu'ils ont eu, ils se sont davantage armés, ils ont suffisamment de moyens. Vous voyez comment ils ont humilié l'armée malienne quand on nous dit comment ils détruisent le matériel euh, euh, de, de, de, de guerre, franchement, ça, ça, fait peur. Donc c'est dire que véritablement, on, a joué avec le temps et ça n'a pas favorisé les forces euh, régulières. Ça a profité justement à ces qui connaissent mieux le terrain que, que, en fait, les forces régulières. Si on, peut dire. Donc, c'est dire que véritablement, c'est, le discours qu'il, tient doit être soutenu et par les Malais et par les Nigériens, en tout cas, ceux qui pensent que véritablement, les terroristes vont nous mener en bateau, ils ne vont jamais faire le bonheur des uns et des autres. Mais ils vont instaurer un État sauvage où effectivement, il n'y a pas de droit à, tu Donc, cela, cela, veut dire que franchement, c'est une issue à interpeller tout le monde. Notamment nos partenaires, en tout cas, pour qu'ils puissent prendre au sérieux la question. Vous voulez dire les partenaires occidentaux Mais justement, les alliés, absolument. Alors, ouais, là, justement, au-delà de, cette manifestation qu'on a vue, quelles autres incidences ou conséquences peuvent être engendrées par euh, les propos du, euh, président Issouf Mahamadou. Euh, j'ai suivi un parti politique malien qui demande carrément de suspendre la coopération militaire avec le truc de défense là, avec, avec la France. C'est très osé quand on sait effectivement la France a joué un rôle important pour quand même éviter euh, que l'État malien, en tout cas, ne, ne, soit pas vraiment... Le pire aller arriver. Mais vraiment, tout le monde a salué avec nos États qui ont appuyé la France, justement. Mm. Mais la solution telle que la France l'avait imposée, elle n'est pas... Elle est inopérante. En tout cas, elle constitue une véritable menace. Euh, Garé l'a dit. Le président Issouf, en tout cas, il maîtrise qui plus que lui en tant que chef d'État que de, de, renseignements, en tout cas, pour dire qu'il a donné des, très, très, très précis. C'était très précis. Et l'autre aspect que, par, exemple, le, euh, le président dénonce, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Par exemple, quand la situation s'est posée de l'autre côté du monde, au moins, orient ou bien en tout cas de l'autre côté, le tank, et même, ils ont amené et leurs militaires, et leurs moyens, mais avec tout ça, il a parlé des années pour même, en fait, euh, venir un peu euh, au bout du terrorisme. C'est-à-dire que chez nous, ils refusent de mettre les moyens qu'il faut, même au niveau des Nations Unies, créer les conditions réglementaires, en tout cas, pour que la force puisse. vous voyez, donc, euh, voyez, donc, c'est dire que franchement, pendant ces deux pas, deux mesures doit, doit cesser. Et c'est inquiétant. Parce que vous voyez ce qu'ils viennent de, ce qui vient faire, C'est pour dire en tout cas à nos États que vous voyez, nous sommes tellement puissants que vos armées, euh, on va, euh, à, ce moment-là, par exemple, on, aurait en tout cas voulu voir la réaction des, des, alliés, non des alliés. Mm. Parce que déjà, si on peut dire, en fait, la guerre a commencé la guerre a commencé et ce que, vous savez en fait la, la, vérité, ce que euh, Gary l'a dit, lorsqu'on a laissé ses forces au niveau de, en tout cas, de, de, faire, la loi, on sait par exemple que euh, entre maintenant, parce a aujourd'hui on dit le, le À l'époque, lorsque j'ai dit du MNLA ont en tout cas en, en, en, en échec, ils ont échoué face aux djihadistes. Donc, maintenant, ils sont alliés, comme euh, qui, qui, vous savez, quand après un conflit, euh, on devient des amis. Hmm. Donc aujourd'hui, ils savent que euh, la, la prééminence de ces djihadistes sur eux, ils sont alliés pour effectivement des causes euh, vraiment inavouées. Donc dire que moi je pense qu'il va falloir, ça c'est compliqué. Moi je pense que tu hmm. parles de conséquences, effectivement, on va avoir, de, dès qu'ils sont avérés ça, on savait, on s'attendait en tout cas qu'il y ait des, des trucs sur, notre pays. Mais, euh, euh, alors, effectivement, c'est ça le, risque. Alors, vous faites allusion à ces attaques de ces derniers jours. Mais justement, il faut, s'attendre parce qu'en réalité, vous avez vu, on a vu même en Algérie, des gens ont manifesté. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez aussi, c'est aussi assez significatif parce qu'effectivement, L'Algérie, il faut dire la vérité aussi. Si on ose dire, hein, ces gens-là ne sont pas très aussi sincères dans, le, la lutte contre, ces touristes. ils ne sont pas on sait par exemple que le, cerveau du tourisme euh, Yad Aga en, tout cas tout le monde sait ses avec l'Algérie. Mm. Donc c'est dire que franchement parlant, il faut qu'on se prenne au sérieux si on veut véritablement au, niveau international en tout cas, lutter contre le, tout le monde en tout cas soit sincère pour qu'on puisse vraiment en tout cas euh, faire en sorte que les États soient vraiment en tout cas le monopole de la violence. Eh, Amadou, euh, quelles autres conséquences ces propos du président Issoufou peuvent euh, en tout cas engendrer Non, on a vu déjà quelques énergumènes qui se eh, sont. Est-ce qu'il peut y avoir un impact positif notamment la prise, la prise de, de décisions énergique Déjà, ces propos de Issoufou suscitent l'unanimité au sein de l'opinion nationale. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas de la politique, c'est la sécurité du Niger. Tout le monde est d'accord quelle que soit votre tendance, vous êtes d'accord avec ce que, ce que le président dit. J'ai dit quelques, depuis quelques jours, quelques énergumènes sont en train de se trémousser sur les réseaux sociaux pour dire, pour menacer les gens, pour dire que oui, ils rappellent les propos qui ont été tenus par un ancien chef rebelle qui disait que lorsque les, États vont attaquer Kidal, eux aussi ils vont partir défendre Kidal, etc., etc. Ces genres d'individus euh, euh, euh, tellement dégoûtants dégueulasses qui sont en train de se ils ont vu, c'est des, des, attaques pratiquement que les gens, les leur ont répondu de façon ferme. C'est-à-dire que il faut faire attention. Je vous dis, cette manifestation-là à Kidal, avec des manifestations en Algérie, je vous dis, Kidal, c'est le début de quelque chose. Il faut que les gens comprennent cela. Kidal, c'est le début de quelque chose de plus grand que les Français ont préparé. Je préfère le dire directement parce que c'est les Français qui ont mis l'opération cérébrale. Et vous savez, les Français ont fait pire. Mm. Les Français ont mené l'opération cérébrale et on a imposé à l'armée malienne un embargo militaire. Les gens ne le savent pas. On a dit que non, non, il ne faut pas que l'armée malienne commande des armes parce que si elle commande des armes, elle va tuer les gens de cette communauté-là. On a mis un embargo et puis on a laissé les terroristes, les anciens groupes armés, anciens entre guillemets que tu le dis, mm. parce qu'ils sont toujours des groupes, ils sont toujours armés, mm. et les trafiquants se retrouvaient au niveau de Kidal avec la complicité des Nations Unies. Parce que ces sanctions-là contre l'armée malienne, elles ont été prises avec, la complicité des Nations Unies. Hmm. Donc, aujourd'hui, si on ne prend pas de mesures, si les Français ne font pas créer les conditions, parce que quand l'opération Serval avait été menée en 2011, on avait demandé à François Hollande, j'ai eu un rapport, j'ai lu un rapport d'un expert français, militaire français, hmm. qui a détaillé comment ça s'est passé. Quand les forces françaises allaient venir à Kidal, ils ont demandé à Hollande, Hollande a dit, ils sont, donc ceux qui sont à Kidal, hmm. on les laisse. Ils ne sont ni nos amis, ni nos ennemis. On fait le statu quo sur Kidal. Et c'est à dessein. Ah, je Alors, je vous assure, les terroristes qui mènent, depuis qu'on a, euh, ils fait ces révélations-là, hmm. est-ce que vous avez entendu une attaque d'envergure? Vous avez entendu une, attaque comme celle d'Inates? Hmm. Mais les jeunes se tiennent à carreau parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés. Mm. Ils savent qu'on voit maintenant. On a compris. récemment, il y a eu quelques attaques là, un peu au, Niger, au Mali, au Burkina Faso. C'est pas, pas la même envergure. Hussein Nissa, ah. oui, vous voulez. mais rapidement, pour compléter ce que vient de dire Gary, c'est que vous avez vu les attaques qu'il y a eu au Mali entre lundi, et mardi, mm. où Karma il y a eu 25 morts dans les rangs des militaires, 50 mm. portés disparus et, sans compter le matériel militaire détruit. Moi, je me pose la question. Comment, dans un État souverain, comment, d'où sont partis ces gens qui sont allés attaquer ces bases militaires, ces camps militaires-là Ils sont partis d'où Ils ont réintégré quelqu'un après l'attaque. C'est non, t'as pas la table <laughs> hein? Non, non, non. <laughs> C'est non. Ça, ça me pose des soucis parce que pour moi, il y a un problème qui se pose fondamentalement. Kedal doit rester sous comment dire, l'autorité de Bamako. il faut arrêter ça, quoi. Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas se mettre dans une logique où, hmm. dans un pays, on peut considérer qu'une une zone d'exclusion, un État, un État dans un État, ça n'a aucun sens. Quand des gens manifestent pour dire qu'ils sont machin, ils sont hostiles au propos de Youssouf Mamadou. Le président Youssouf Mamadou a dit vrai c'est des gens qui viennent de ces zones-là, de cette zone. Ils viennent, ils attaquent un peu partout, ils se replient peut-être qu'ils ont encore une autre base quelque part vers le Burkina Faso ou machin un détachement. De la main. Hmm. Euh, euh, on a vu que lors de, la manifestation, les manifestants qualifiaient le président Issoufou de vatanguer et ils ont aussi demandé le retrait immédiat du Niger de la médiation internationale pour l'accord d'Alger, ainsi que le retrait, ainsi que le retrait du contingent nigérien de la mission des Nations Unies pour le Mali. Euh, Ousenissa, <laughs> oui, mais quelle lecture vous faites de ces revendications de Mali Quelles revendications Moi, pour moi, moi, pour moi, d'abord, on n'est pas qui aider. C'est ça, non est-ce que c'est pas qu'on est pacté aider On n'est pas parti pour chercher de l'argent. C'est des militants nigériens qui tombent là-bas sur le champ de, d'honneur. Mais je vois pas pourquoi des gens que, vont prendre des drapeaux, ils vont brûler, machin. Non, à la limite, c'est, pour moi, c'est des, ces, revendications ne tiennent pas la route. Ça pas la, c'est des revendications qui tiennent pas non seulement la route, mais en plus, c'est que les autorités maliennes même ne sont pas conséquentes ne sont pas conséquentes, IBK, tout ça, ils sont pas. Non, hein, mon pays, c'est mon pays. Quelqu'un ne va pas m'imposer. Ça n'empêche que euh, camps militaires ont été carrément euh, détruits par des, des individus. On dit c'est des djihadistes. Mais la question, c'est est-ce que l'État malien peut même justement imposer cette autorité non, non, non, Ça veut dire qu'il y a un laxisme et ils sont peut-être d'accord. Ils sont dans, une position de, de, de, dans une connivence avec euh, machin. Parce que moi, pour moi, je peux pas comprendre que ça puisse euh, c'est passé dans un pays ah, où, où, on considère que c'est un pays souverain, indépendant et tout et tout, et que des gens viennent, des individus, ils viennent, hein. ils prennent un camp, ils prennent deux camps, ils tuent déjà, ils s'en vont. On Sans compter la présence euh, de militaires étrangers et militaires étrangères qui sont là, avec les moyens de guerre dont ils disposent, les avions et tout et tout. C'est après coup, on vient, on dit non, on on a engagé la poursuite. Ils sont allés où donc, euh, Bien, euh, euh, voilà, euh, Suleiman Mahamadou, ces revendications en tout cas qui ont été scandées par les, par les manifestants, quelle lecture vous, vous faites Ma lecture, c'est que ceux-là qui ont fait ces manifs-là viennent confirmer que c'est eux qui ont intérêt que le statu quo soit en tout cas préservé. Donc ceux là en tout cas qui profitent de, de, de, cette situation. c'est donc c'est la vérité en fait eux, ne veulent pas qu'il y ait en tout cas euh, un autre ordre. Parce que simplement, aujourd'hui, il faut leurs affaires. Euh, euh, vraiment, je pense que c'est très, très inquiétant ce qui se passe au Mali. Vous avez, hier, vous avez appris le, décès de, de, du patron de, de, Sonaf. C'est-à-dire que, vous voyez, dans la logique du, terrorisme, en, réalité, hmm. tout le monde est en insécurité. Ceux, qui ont encore de l'argent en, plus. Donc, franchement, je pense que euh, tout le monde doit se convaincre que vous ne pouvez pas faire le jeu des terroristes et penser que vous êtes pour, pour, un avenir en tout cas radieux. Non, je pense que euh, faut faire attention. Euh, euh Ceux-là qui inconsciemment sur le réseau, en tout cas, qui sont en train d'apporter de, l'eau au moulin, en tout cas, de touristes, est un jeu dangereux, en tout cas. Mm. On doit plutôt se mobiliser au, niveau national, en tout cas, pour dire que ce n'est pas la personne de Issou. Issou va partir bientôt. Mm-hmm mais l'État du Niger reste. reste. Garé Amadou, euh, ces, manifestants ont qualifié le président Issoufou de Vatanguer. Ils ont aussi dit que Kidal n'est pas Difa. Comment euh, vous, vous, vous, mais vous on est dans quel monde aujourd'hui Des gens, dans un pays où le monopole de la violence normalement est détenu par l'État, des gens qui dessinent des armes dans une ville disent que Issoufou est un Vatanguer. Pourquoi ils ne déposent pas leurs armes, eux Il y a eu des accords de paix, Pourquoi ils ne déposent pas leurs armes c'est eux qui vont dire qu'ils se mettent en en guerre. Des gens qui sont en train de s'aimer le chaos dans la ville de Kidal et qui sont en train de profiter du statut de Kidal pour attaquer les autres pays de la sous-région. Ce sont des gens comme ça qui pensent qu'il faut donner des leçons, qui peuvent demander à Barkhane et de de se retirer de, de, de, la force multinationale, etc., etc. Mais ils sont qui Mais qui sont-ils si ce n'est pas les Français qui les ont aidés pour leur donner ce statut-là. Mais qui sont-ils Ils ne sont rien du tout. Et les manifestants là ne représentent pas la communauté de Kidal. Mm. Yusuf n'a pas dit que toute la communauté de Kidal est terroriste. Yusuf a dit que les terroristes qui attaquent la sous-région viennent de Kidal. Il y a une nuance. Hmm. C'est pas la peine de faire de tout un tintamarre et de, considérer que non, non. Il vous dit qu'il y a des terroristes à Kidal. Hmm. C'est ça l'enseignement. Il y a des terroristes à Kidal et tout le monde le sait. Il a parlé de statut aussi de Kidal. Le statut de Kidal est dangereux pour tous les pays de la sous-région. Hmm. Parce que je vous dis, c'est le statut de Kidal qui est le début de quelque chose. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Et j'ai dit, nous ne ferons pas de cadeau à tous les énergumènes qui, se... qui pensent que sur les réseaux sociaux, ils peuvent amettre une population pour. On ne va pas leur faire de cadeau, hein. Nous allons nous battre avec notre ami pour préserver l'intégrité du territoire nigérien. Ça, il faut que les gens le sachent. Je sais qu'ils sont en train de m'écouter, je leur parle. Je dis, s'ils pensent qu'ils ont les réseaux sociaux pour attirer les gens, pour menacer les gens, nous, nous allons nous battre pour notre pays. Et nous n'allons pas le faire le cadeau, ces gens-là. Il faut que ça soit très clair. Bien. Alors nous, nous passons au dernier sujet, si vous voulez. Euh, sur le plan politique, comme je l'ai annoncé, hein, depuis quelques semaines, l'on remarque une certaine multiplication de la création des partis politiques au Niger, des acteurs de la société civile, des anciens militaires et même des journalistes. Hein. <laughs> ce sont entre autres les, les profils des leaders de ces nouveaux partis. Euh, alors, Gare Amadou, nous continuons avec vous. Quelle lecture vous vous faites euh, au sujet de cette prolifération, si on peut le dire, entre guillemets, des partis politiques à moins d'un an et demi des élections euh, générales au Niger à la fin, c'est du grain n'importe quoi. Vous savez, c'est du, c'est bon, c'est vrai, la démocratie, tout le monde est libre. C'est-à-dire, en principe, notre démocratie, elle est faite de telle façon que si on pense qu'on peut créer mille partis politiques, le multipartisme, oui, oui, le multipartisme intégral, qui est, oui, intégral, oui, oui. Donc tout le monde peut créer, mais entre nous, c'est sérieux. Déjà, les partis politiques existent là. On compte ceux qui sont sérieux sous le bout du doigt. Quels sont les partis politiques qui sont sérieux on peut les citer sur les bouts de doigts. cest qu'ils participent à des élections, c'est tout. C'est qui C'est le PNDS, c'est le Lumana, c'est le MNSD, c'est Jambouria, c'est le MPN maintenant, c'est le, le, le, RD, euh, comment on appelle, RDP Jamaa, un consort, etc., Mais c'est votre point de vue, hein, ça, ça peut être contesté par d'autres. Oui, je peux contester, mais les faits, les faits sont têtus. Il y a des partis qui ne participent jamais à une élection. Bon, on a vu des gens euh, maintenant se, dire qu'ils sont candidats des partis qui se créent comme ça à tout bout du champ. Je ne sais pas. En tout cas, on a oh, je ne sais pas le nombre. Chaque week-end, en tout cas, chaque week-end il y a une formation politique. Mais c'est une grosse pagaille, Alassane. Mm. Ça ne fait pas sérieux pour un pays de 21 millions d'habitants. Il faut qu'on mette de l'ordre. Mm. Au Bénin, ils sont en train de tenter de faire ça. Au Sénégal, ils sont. C'est-à-dire que au Sénégal, ils ont dit que non, il faut qu'un parti ait un certain nombre de signatures pour qu'il soit validé. Mm. C'est normal. Mm. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse la recherche de la qualité. Je ne peux pas créer un parti politique dont le siège même se trouve dans mon cartable. Non, mais c'est vrai, tous, les, tous les textes sont dans mon cartable, mm. mais il y a, même quels sont les partis politiques qu'on ont Il n'y en a même pas beaucoup. Ouais, donc le siège est dans le cartable et tout, tout, tout. Les militants, c'est ma femme, mes enfants, etc., etc. Et puis c'est fini, c'est terminé. Non, c'est pas sérieux. C'est-à-dire, il faut qu'on aille vers la qualité. Cette prolifération, pour moi, des partis politiques n'est pas un signe de la vitalité de notre démocratie. Non, c'est un signe de la déliquescence, pour moi, des principes qui, doivent faire en sorte que la démocratie soit vitale. Parce que mille partis politiques, ça n'apporte rien du tout. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question du pourquoi Pourquoi tout le monde veut créer des de partis politiques Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être que les partis qui existent maintenant ne répondent plus aux attentes Ces gens-là, ils viennent d'où ils, ne viennent pas du néant, ils viennent des formations politiques. Tous ceux que vous avez cités là. Mais ils sont, ils ont, ils viennent des partis politiques. Hein. ceux qui viennent de la presse, ils militaient dans un parti politique. Ceux qui, tous viennent de quelque part. Et donc, c'est pas ex que ça a été créé. Mais parce que tout simplement, on a compris que pour ces gens-là, pour pouvoir exister, pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, du, partage de l'avenir, il faut créer une formation politique. Parce qu'aujourd'hui, la loi algérienne fait en sorte que quand vous avez une formation politique, il y a des fonds qu'on vous alloue chaque année. C'est clair, c'est connu. Mais c'est devenu un fonds de commerce. C'est comme une boutique. Bien. Alassane, si tu veux, si tu veux pouvoir exister, créer un parti politique, fais du bruit, fais semblant d'être d'être grand. Pourquoi tu crées pas Non, moi je ne crée pas de parti politique. C'est une grosse pagaille cette histoire-là. <laughs> Bien, nous donnons la parole à Ousseini, Ousseini Issa. Ousseini, comment vous analysez euh, toute la création de, toutes ces, de tous ces partis politiques les gens tout Les, gens, pour manger. Pour manger. Je vais direct. Le gars n'a pas été direct. C'est même pas les subventions. J'ai créé un parti. J'ai pas besoin d'aller aux élections. Mais même quand vous n'avez pas de, de, d'une une grande base, vous allez pouvoir manger. Quelle base Quelle base Quelle base Il a cité les partis qui ont des sièges, qui ont des démembrements, qui ont, sont implantés à l'intérieur du pays. Hmm. Tu vas voir il y a combien de partis. Les gens créent pour manger. ça dit, le gars, la politique est devenue aujourd'hui dans ce pays. Du business. Ah, ah, un, business. C'est un business. ça te permet de manger tranquillement. Parce que tout simplement, tu vas aller, tu ne vas pas aux élections, tu ne vas pas ni aux élections locales. On doit pouvoir créer les conditions d'assainissement dans ce milieu-là. Faire en sorte que quand tu crées un parti, il faut vraiment que ça soit quelque chose de sérieux. On n'est pas dans cette logique-là. N'importe qui peut s'élever, comme il l'a dit, avec sa femme, ses enfants. Souvent, ses enfants même ne suivent pas. <laughs> au moins une dizaine de <laughs> Le gars, il va manger parce que tout simplement, à la veille des élections, il va dire Je soutiens. Voilà, le soutien, c'est ça. Est-ce que, dans un pays, 21 millions d'habitants, on a besoin de tout ça Non, on n'en a pas besoin. Regardez les grandes puissances, les États-Unis, les machins. Il y a combien de partis Il y a des candidats indépendants, bien entendu. Vous avez tout au plus trois grandes, ben, trois Voilà, qui sont là, les républicains, les démocrates, et puis bon, il y a des candidats qui émergent comme ça. Mm. Mais quand on voit ce qui se passe chez nous, des gens comme ça, le gars, il sait qu'il n'a rien à faire, il ne veut pas travailler. C'est plus facile de, <laughs> créer. oui, mais vous savez, et, pour eux, ils pensent qu'ils sont très intelligents et que nous, nous sommes bêtes. <laughs> C'est-à-dire, le but, c'est quoi on crée une formation politique parce qu'on on, la crée d'abord quand Parce que les élections s'approchent. Donc il y a un enjeu. Quand les élections s'approchent, eh bien, même si on n'est pas candidat quelque part ou on est dans une localité, ben, on apporte soutien à quelqu'un. Et on apporte soutien pourquoi Ça veut dire que, comme l'a dit Olmone, s'il arrive au pouvoir, on a des, on a des, quelques, trucs, quelques postes qu'on peut, qu'on peut avoir. C'est tout. C'est devenu un fonds de commerce. Mais les Nigériens ne sont pas bêtes. Mais il y a quand même des textes. Hein. Alors, toutes ces inquiétudes, toutes ces, soulevées par, par nos amis euh, Garé et Ousseini, euh, cela pose la question de est-ce que aujourd'hui les textes euh, réglementaires au Niger concernant justement la création, la gestion des partis politiques, euh, est-ce que les textes sont suffisamment munis pour, pour, pour pouvoir en tout cas assainir le milieu non, euh, lundi, dès le départ, euh, Gary et Issa, lundi, le Niger a opté pour le multipartisme intégral. Donc, euh, quest ce soit au niveau des partis politiques, au niveau des associations, ONG, vous êtes libre de créer votre association. Mais, après la création, il y a certaines conditions à respecter. Absolument, effectivement, c'est pourquoi, raison pour laquelle, déjà l'État, les partis existent effectivement le ministère de l'Intérieur appliquer la loi et déjà elles sont sous sommation. Elles ont été sommées de se conformer parce qu'il y, a des partis qui ont oublié de faire leur congrès depuis qu'ils que, que, sont là. Donc déjà, déjà, on, ils peuvent être amenés à être dessous. Mm. Donc en réalité, moi je suis peut-être que euh, en train de penser que nous sommes dans un processus démocratique. Je crois à la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'à un certain moment, euh, maintenant les gens peuvent, euh, vous savez aussi peut-être que euh, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les causeries au niveau des réseaux sociaux donnent des idées aux gens que, bon, euh, on pense que on, ont tendance à disqualifier les anciens partis. Non. La politique, euh, quoi qu'on dise, on a tous ce discours-là aujourd'hui. Mais il se trouve que les, les grandes formations politiques, là, maîtrisent toujours les, dynamiques politiques et sociales. Donc, arrêtez, on a beau les critiquer, les insulter, c'est ont encore qui... du chemin à faire. absolument. Donc, c'est pas, je pense que véritablement, à un certain moment, euh, dans notre histoire, on va retrouver justement la situation standard des grandes puissances où on va se retrouver autour de deux ou trois formations politiques euh, parce que tout le monde, les gens vont finir par se fatiguer. Maintenant, fait, arrêtez. Moi, j'ai dire personnellement, si je veux faire euh, adhérer à un parti, c'est que je ne veux pas créer un, parti. Non, il faut adhérer à une grande formation politique. La vérité, c'est que ce qui se passe, mm. c'est une option pour la facilité. Parce que dans une grande formation politique, il faut faire ses, preuves, il faut militer sérieusement pour, avoir une, absolument une, place. On pense que quand on crée un parti, on, est diplômé, dès qu'on demande de, de, un truc Non, c'est trop facile. Moi, je pense que le pire, c'est que cette situation ne facilite pas la gouvernance. Je l'ai dit, en tout cas, euh, j'ai constaté que euh, les alliances, c'est un peu ça en, réalité. Le président de la République peut décider euh, d'appliquer une mesure pour le bien du pays, mais les alliés peuvent faire du, chantage. Ils vont me dire que C'est là qu'ils l'ont aidé, c'est là qu'ils les ont aidés à parvenir au pouvoir. Par, exemple, récemment, ça semble t que, cela en tout cas, certains, journaux, mm. le président avait envisagé de réduire le gouvernement, mais les alliés n'étaient pas d'accord. Vrai ou faux C'est dire en tout cas, cela veut dire que véritablement, les alliances ne contribuent pas à la bonne gouvernance du pays et la création de beaucoup de partis politiques aussi est, euh, justement, que, comme vous l'avez dit, il faut que le ministère de l'Intérieur, en tout cas, puisse appliquer la loi rigoureusement, en tout cas, pour vraiment éviter la pagaille. Parce que je pense que la qualité de notre démocratie, oui, la grandeur d'un parti politique, ce n'est pas euh, franchement le, nombre. cela, euh, en tout cas, un, un, un, politologue. Mm. Mais les idées, est-ce que ces partis sont créés vraiment sur la base des doctrines, en tout cas vraiment de, de, philosophies qui portent sur l'intérêt général Ce n'est pas le cas. Je vous pose à tous cette question pour finir. Est-ce qu'aujourd'hui, vu euh, toute la situation de, la situation sociopolitique, surtout politique de, notre pays, est-ce qu'on ne peut pas se dire que euh, dans ces nouveaux partis qui se créent, il y a quand même des gens qui ont cette ferme conviction de vouloir vraiment changer les choses non pas juste parce qu'ils veulent manger. Euh, mais si, si tu, veux, tu, tu, veux changer les choses, vous savez, en réalité, c'est une erreur que les gens se font. C'est pas forcément en, faisant de la... Il y a ah, des gens qui sont en train de changer la situation de ce pays-là étant des, simples euh, citoyens, cordonniers. En tout cas, je veux dire que ceux-là qui travaillent honnêtement. Parce qu'en fait, c'est ça, réalité. Ce n'est pas seulement créer un parti politique qui permet euh, de... Dans, dans un ministère, le peloton peut, faire changer le, le, le chose parce qu'il fait bien son, son, son, boulot. Mm. Donc ce n'est pas forcément en créant un parti politique qu'on peut changer le, le pays. Euh, non, frère, il ne faut pas qu'on raconte des histoires aux gens. C'est-à-dire... Ce n'est pas uniquement pour manger que beaucoup non, des, des gens créent. Non, pour... Mais ces gens-là, je vous dis, ce ne sont pas des nouveaux-nés. Hein. Ils viennent des formations politiques qui existent déjà. Hein. Mais vous avez vu une nouvelle personne parmi tous ces gens, c'est qui qui est nouveau Mais on connaît l'histoire de tout le monde. Et donc ces gens-là, ce ne sont pas des... je veux dire, ce sont pas des gens qui sont vierges politiquement. N'est-ce pas C'est des gens qui sont dans des formations politiques et qui pensent que non, non, il faut créer des partis satellites. Comme ça, on va pouvoir gagner. Hussein ça. est-ce que euh, réellement on peut avoir des gens qui sont sincères dans la création de Sincères par rapport à quoi Par rapport à quoi On sait comment les choses se passent. J'ai roulé ma bosse dans tel parti. Je me suis retrouvé en conflit un temps avec euh, les responsables. J'ai créé un parti parce que quand j'ai créé mon parti, j'ai devenu autonome et j'ai pas apporter mon soutien. Euh, c'est ça le but. <laughs> Même s'il n'y a rien derrière, Il suffit simplement que je dise. Je fais une déclaration. Je, soutiens un tel. C'est fini, c'est parti. Qui va arriver au deuxième tour. C'est fini. Je vais trouver à manger. C'est le jackpot. <laughs> non, c'est vrai. je vais trouver à manger. Et c'est sur ces mots qui prend fin le forum de la presse <laughs> de ce soir. Nous étions en compagnie de nos confrères Elaj Suleiman Mahamadou du journal La Ligne Niger Inter, Garé Amadou, au quotidien La Nation et eh, Ousseini Issa, journaliste freelance, présentation à Alassane Kouzi Mahamadou et la technique assurée par Ousseini Issa. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa sur la volaille et dimanche en Zarma sur la formation des militants des partis politiques. Bonsoir.